le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio 18h15 très ravi de vous retrouver fidèles auditeurs et merci de rester assidus à votre rendez-vous quotidien le forum du studio Kalangou. Le forum du studio Kalangou est un espace d'échange et de partage d'idées pour tenter de changer ou faire avancer les choses à travers des discussions sur des questions qui vous tiennent à cœur. Être avec vous au cœur de vos préoccupations, c'est notre objectif. Aujourd'hui, nous parlerons de la comédie et de l'humour au Niger. Si certaines personnes ont choisi la musique, le théâtre ou encore le cinéma pour faire la satire sur des faits sociaux, politiques et culturels, d'autres ont choisi l'humour, la comédie. Et tout le monde aime rire et tout le monde a besoin du rire. Est-ce que tout le monde perçoit l'humour de la même manière Quelle est la place de la comédie dans une société particulièrement au Niger Jusqu'où peut aller la liberté d'expression des artistes comédiens humoristes L'art nourrit-il son nom au Niger Le secteur de la comédie est-il rentable Participe-t-il au développement économique de notre pays Pour répondre à toutes ces questions, nous avons comme invité sur le plateau du forum du studio Kalangou l'icône de la comédie nigérienne, l'enseignant à la retraite Yazi Dogo alias Chiwake Laoje. Bonsoir euh, Yazi Dogo. Bonsoir. Merci d'être venu. L'autre invité, c'est un humoriste, imitateur, plus connu sur le nom de Shoemaker, de son vrai nom, Djibril Idrissa. Bonsoir Shoemaker. Bonsoir madame. Nous sommes aussi avec un autre comédien, Hashimu Omaru couramment appelé défaut. Il est l'initiateur et le promoteur du festival Gatan Gatan de Dogonduti, le royaume des Maoris. Bonsoir défaut. Bonsoir Marie Diallo. Alors chers invités, je vous demanderai de nous dire brièvement ce que vous faites actuellement, pourquoi vous êtes plus connu sur des surnoms. Je commencerai bien sûr par le plus grand des Maoris, Yazidogo. Qu'est-ce que vous faites actuellement Actuellement, je suis à la retraite. Je suis enseignant de formation, mais maintenant je suis à la retraite, donc je ne fais presque rien, sauf que de temps en temps, on se retrouve pour faire des pièces de théâtre, de monter des sketchs. Alors pourquoi tu as Kilaougé c'est un surnom. C'est mon nom d'acteur dans une de mes pièces, Sojanda. Tuakelaugé, en Aranti, c'est-à-dire la langue parlée par les Arawa, ça veut dire qui mange du haricot. Vous savez, chez les Maoris, ou plutôt chez les Arawa, chaque nom a une signification. C'est selon la saison, selon le temps, selon l'événement qu'on donne les noms chez les Arawa. Par exemple, tu vois que on donne ce nom à quelqu'un qui naît pendant que le haricot est mûr et c'est en ce moment qu'on le consomme défaut, qu'est-ce que vous faites actuellement Moi, je suis euh, communicateur, donc euh, je gère euh, des activités sur les réseaux sociaux et aussi, donc, je fais du management d'artistes avec des groupes comme Mamar Kassé et voilà, des spectacles. on est dans le milieu des arts. Comment s'écrit défaut Défaut, c'est D-E-F-F-O défaut. C'est un titre de noblesse en Afrique centrale, notamment vers le Cameroun. Pourquoi on vous appelle défaut Il s'agit d'une période où nous étions presque au chômage, donc euh, une année blanche qui s'annonçait et on n'avait que la, la belote à faire, donc un jeu de cartes. Et il y avait une nuit particulièrement où je reconnais à chaque fois qu'il y a eu un défaut de surmontage dans le jeu, J'ai dénoncé presque toute la nuit, donc le lendemain les amis m'ont appelé défaut. Et donc maintenant c'est devenu défaut, comme le titre de noblesse au À telle enceinte qu'on oublie votre véritable nom. Shoemaker. Comment s'écrit Shoemaker S-H-O-I-M-E-K-A. Alors donc, pourquoi on vous appelle Shoemaker Au fait, euh, c'est un nom qui est devenu plastique. Euh, j'étais un gardien de football quand j'avais l'âge tendre. Quoi. Et donc, j'avais emprunté le nom de grand gardien allemand qui s'appelle Schumacher. Bon, le nom, les gens n'arrivent pas à prononcer très bien. Les noms, comme c'est en Allemagne, Schumacher, Schumacher, etc. Donc, c'est devenu un peu plastique. Finalement, les gens m'appelaient Schumeka. Donc c'est resté comme ça. Et ça vous plaît Comment on va faire Je suis ingénieur de eaux Je suis directeur euh, de la communication du ministère de l'Environnement et du Développement durable actuellement. À présent que nous savons un peu plus sur nos invités, nous entamons la thématique du jour, à savoir l'humour et la comédie. Comment définir l'humour Défaut L'humour, pour moi, c'est l'humour, c'est essayer d'être ou de mettre la communauté à l'aise c'est l'un des rares arts où même dans nos grandes traditions de royaumes, des empereurs, ça a existé parce que ça, ça distrait, ça égaye, ça permet à la communauté euh, de dire à travers la satire sociale des petites vérités ou des faits ou des phénomènes sociaux qui touchent la communauté. Alors, cœur, est-ce que forcément quand on dit humour, on doit s'attendre à rire beaucoup quand on dit humour, euh, à mon avis, c'est franchement faire rire, baisser beaucoup de tensions euh, dans une société donnée. Yajidogo, le rôle essentiel de l'humour dans notre société. Pour moi, l'humour, c'est un agitateur, quelque chose qui est là, vous êtes en groupe, on s'ennuie, il faut quelque chose pour détendre l'ambiance, il faut trouver quelque chose pour faire rire, pour que les gens se mettent à l'aise, comme on dit. Mais seulement, Attention, à travers le rire, c'est pas seulement le rire qu'il faut voir. Dans ce rire-là, il y a des messages. L'humoriste qui fait son numéro, il le fait, il l'a bien préparé. Lui, pour ceux qui le regardent, pour ceux qui l'écoutent, ils s'attendent à des choses pour rire. Mais lui, il a quelque chose, un message qu'il veut transmettre à travers son rire. Même quand vous êtes triste, ou, peut-être l'humoriste, lui, il ne sait pas, parmi ceux qui sont venus l'écouter, peut-être il y en a qui sont dans une situation très triste. Souvent, ils se disent, je vais aller voir ce spectacle-là pour me détendre et pour oublier mes soucis. C'est vrai. Mais la tristesse est quand même là. On entend souvent parler de comédien humoriste. comment est-il possible d'incarner ces deux concepts euh, dans une même personne Ça dépend de chacun. Par exemple, pour moi, si vous me dites humoriste, comédien, bon, on joue avec les deux. Mais il y a quand même une différence, ça, c'est vrai. Bon, pour moi, l'humoriste, c'est quelqu'un peut-être qui peut jouer tout seul, faire son numéro. Tandis que de la comédie, euh, le comédien dans une pièce de théâtre, dans une dramatique, il faut peut-être qu'il soit accompagné de quelqu'un ou bien c'est un groupe et à travers euh, peut-être une scène, on est en train de jouer une scène, tout de suite ah, il faut mettre un peu d'humour dans cette scène. Et c'est là le rôle de l'humoriste qui trouve tout de suite quelque chose à mettre et ça éclate. Shoemaker, où se situe la différence hein, entre ces deux notions Un comédien, il peut jouer la comédie, c'est-à-dire que c'est un rôle qu'on peut lui donner et il peut assumer. Mais l'humoriste peut faire les deux. Au fait, ils sont ensemble, mais comme euh, Yajidogo Dogo a dit, euh, l'humoriste peut venir jouer en one-man show. Il peut jouer seul et puis euh, recréer un peu la place. Le comédien aussi, il peut le faire, mais il est limité. Défaut, est-ce que vous vous sentez plus comédien et humoriste Est-ce que vous appréhendez ces deux conceptions en vous Oui, moi je suis comédien je ne suis pas du tout humoriste parce que s'il faut avoir une certaine capacité quand même euh, euh, de formation, euh, une certaine capacité d'être vraiment intégré dans la communauté pour savoir les manières, les gestes, les textes qui peuvent faire rire à cette communauté. Et donc moi je suis beaucoup plus comédien, oui. Donc le comédien c'est celui qui interprète un rôle bien donné à lui confié par le distributeur, notamment le metteur en scène. Il s'agit pour le comédien d'être ou un comédien qui peut peut-être faire rire ou qui interprète, vraiment comme je l'ai dit Harold. Mais l'humoriste, dès que vous entendez humoriste, le mot humour existe, donc c'est un humoriste. Et je peux repartir un peu plus dans l'histoire, vous allez voir dans chaque cour du roi, il y a celui qu'on appelle le fou du roi. Le fou du roi est toléré dans cette cour parce qu'en réalité, il utilise le comique pour dire toujours la vérité au roi. Donc un peu l'historique par rapport au passé des humoristes nigériens, on peut le retrouver un peu là-bas. Les humoristes en équipe, on peut retrouver dans l'histoire où aussi ce que nous appelons, mon tonton va élargir ça, ou le Wasankara. Le Wasankara à Zender, il est l'un des rares styles nigériens en équipe où on dénonce. Alors, deux fois, deux fois on va revenir sur cette question. Qu'est-ce qui fait rire les Nigériens Nous allons sans plus tarder écouter euh, l'un des humoristes euh, euh, nigériens. Ici, c'est Ada Koto. C'est maintenant, il n'y a pas de comédie parce que vraiment, tout le monde dit n'y a rien. En tout cas, le gars dit maintenant, c'est tabou c'est cacao. Tabou c'est cacao. Oui, cacao, cest à dubu dubu na Nijar yana so ya yi dariya me yana iya yi dariya me yanzu dariya ke babu ana yin ta amma sai a hankali to saboda ta yi sauri ta bushe kar eh akwai wani abu da muke izini shi sai dole a yi Nijeriya su yi dariya. Kamar ba da misalin ba'ala wata ba'ala ce ta yi kwalliya ta shiga kasuwa tana yanga tana yawo tana yawo ba a biya mata magana. Sai ta ce sai ta dawo ta ce mutane kai kun magana ni fa zawara ce. To wannan abu sa don ko a ce buzu wani buzu ne ga ya fadda raƙuma yadda ya tabuɗa ya tabuɗa sai da ya kusan fi da kayan tuzur bai samu ba sai zo wani malami ya ce malam saboda Allah raƙuma na ya bace kaka sai ni buzu da ya shiga masallaci ce ubangiji ka ka bani rakun ma ka yi ni ka ka za ka bar da rakun man ga sai wani ya zaka ce yayi zabne ce Allah ba ni shi biyar sai buzu ne hiddo jika biyar ba wannan mutum ya ce mashi ar ka zo ka masa ma Allah ila ne ni na masa mashi shi shi ta mutuna ni da ke da rakumi 40 saboda jika ka masa ta shi ka ba mu Allah wani wuri kakka sa Allah ya manta da ni ni ni ne a gaba gare ka wannan wani buzu da ya faɗa kana Vous l'avez compris, il s'agit de Ada, le président de Taï qui a accepté de nous faire euh, rire par téléphone je vous laisse le temps d'interpréter un peu la partie euh, Hausa. Oh. En fait, au Niger, à travers cette parenté à plaisanterie, on peut dire qu'il est rare et très difficile de faire deux minutes au Niger sans que la parenté à plaisanterie puisse débloquer une situation un peu compliquée ou difficile. Donc, Adam Ekano utilise cette parenté à plaisanterie pour vraiment détendre l'atmosphère et ce qui est une possibilité énorme parce que depuis la deuxième ou la première génération qu'on peut parler de Kungui, un humoriste qui a été vu, connu à travers euh, l'humour vraiment au Niger. Donc après lui, la génération des Adam et Kano euh, qui sont venus avec Ada et Rabiou aussi qui ont fait un succès fou et ensuite l'humour en équipe ça, c'est la spécialité des Yajidogo. Les Yajidogo, notamment dans la région de Zender, ça a été une époque où tous des fonctionnaires pour la plupart, mais ils ont contribué à travers les pièces de théâtre, à travers les dramatiques, à travers les spectacles vivants, ils ont pu euh, satisfaire la communauté nigérienne. Yajidogo, est-ce que les Nigériens ont le sens de l'humour Le Nigérien, c'est l'homme qui aime beaucoup rire. Quand vous voyez, par exemple, une scène racontée, par exemple, par, euh, Adam et Kano, ça fait tellement rire que vous allez voir des adultes rouler sur le sable en train de rire avec des larmes aux yeux c'est que le Nigérien aime beaucoup rire. Et c'est ce que je voulais dire un jour à quelqu'un qui m'a dit, mais toi tu es toujours jeune, comment tu te conserves Moi je lui ai dit, il faut rire beaucoup. Ah oui, parce que le rire, ça fait vivre longtemps, il paraît. Et le cousinage à plaisanterie, vous l'utilisez beaucoup dans, vos pièces euh, théâtrales Ah oui, on l'utilise beaucoup. On a même euh, initié une euh, semaine. Bon, nous, on l'avait appelée semaine du théâtre et du rire. À ce temps, on n'a pas parlé de humour. On a dit semaine du théâtre et du rire. Et on l'utilise beaucoup. Même dans nos pièces, Souvent, en les montant, on fait tableau par tableau, séquence par séquence. On dit, tiens, dans cette séquence, il faut introduire un peu d'humour et ainsi de suite. Qu'est-ce qui est devenu cette semaine Bon, cette semaine, elle, elle, elle, va à l'eau, c'est-à-dire qu'elle est en train de mourir. Sauf si maintenant, avec euh, la Renaissance, on, pense à elle pour la ramener, mais sinon, vraiment, elle est en train de mourir. Choumeka, vous, vous imitez beaucoup euh, les personnalités politiques. Est-ce que les, Nigériens en rient aussi Ada, tout à l'heure, là, c'était un peu de cela qu'elle a évoqué. a évoqué qui est euh, une situation d'un Touareg qui a perdu son chameau. Il est rentré dans une mosquée, implorer Dieu. Au moment où il est en train de, euh, faire son, sa, prière. sa prière, en même temps son voisin est venu aussi demander 5000 francs à Dieu. Donc le Touareg a vite euh, sorti un billet de 5 000, l'a jeté, il dit, bon écoute, il ne faut pas diviser l'esprit de Dieu. Vas-y, c'est 5 000, il faut aller. Ton problème est fini. donc ton problème est fini quand tu viens dans un public où, euh, un moment, la politique a caporalisé la télévision, c'est les politiciens qui rentrent dans la télé, c'est qui parlent. Les gens les écoutent. Maintenant, moi, en tant qu'imitateur, pour venir imiter quelqu'un, il faudrait que ce public les connaisse. Donc, c'est pourquoi. Sinon, j'imite mieux. Je peux imiter, je peux t'imiter mieux tout de suite. Il y a Jidogo et faux. Plus, que euh, À présent, je vous invite à suivre deux petits extraits, l'un est de Digbe Cravate de la Côte d'Ivoire et l'autre du Nigérien Maman, le président fondateur de la République très très démocratique du Gondwana, un pays imaginaire situé sur le continent africain. C'était à l'occasion de l'avant-première du film long métrage Bienvenue au Gondwana de Maman, donc le chroniqueur satirique de RFI. J'étais le 14 et le 15 avril dernier à la salle Canal Olympia, hippodrome de Niamey. Depuis des années, nous on ne fait que ça, on ne fait que toucher du doigt ce qui ne va pas. Et donc, euh, avec ce qu'on voit aujourd'hui en Afrique, on sent que euh, toutes les autorités nous écoutent, nous suivent et essaient de, de faire le mieux qu'ils peuvent pour pouvoir améliorer les choses. Le mot est très développé, mais en langue nationale, en Hausa. Des gens comme Yajidogo, Maman Arrivé, tous ces, tous ces gars-là, Chiwake Logé, tous ces gens, c'est des, des, comédiens qui ont fait rire le, le, le Niger, mais c'est en Hausa ou en Germain ou en Kanouri. Là, c'est l'humour francophone qui n'est pas assez développé. Une école de comédie, c'est pour montrer aux jeunes, parce qu'ils nous voient sur scène, ils nous voient dans le Parlement du Rire, ils pensent qu'on est monté sur scène et puis on rencontre des blagues. C'est des sketchs qui ont été écrits, qui ont été mûris, on a répété. C'est travail de tous les instants. On n'est pas là juste, hop, allez, je vais raconter une blague, je monte sur scène. Non, c'est un travail. Et maintenant, il faut que, comme tout travail, mérite salaire. Et c'est ce qu'on veut rationaliser ce secteur économique, comme en Occident, comme aux États-Unis, comme en France, comme en Allemagne. Et, montrer donc qu'on peut être humoriste, faire de l'humour, gagner sa vie en étant un professionnel sérieux. Comme ça, les gens vont être encouragés à payer leurs billets. 5 000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs, 20 000 francs. Ils savent que c'est du bon travail vous venez là-dessus des humoristes qui font rire le monde francophone à travers la radio et la, télévision. L'humour francophone, justement, manque-t-il au Niger Yazidogo L'humour francophone, c'est vrai, quand on écoute les deux là, on sent. Mais au Niger, l'humour francophone n'a pas une grande portée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les expressions que nous utilisons dans nos langues maternelles, ne trouvent pas leur place dans la langue française. Quand vous annoncez peut-être euh, ou un proverbe ou quelque chose, en le traduisant en français, il déforme. Ce n'est plus la même portée que ce qu'on veut dire. Ici, à est d'accord, les gens aiment suivre l'humour en français là, mais sinon, pour mes parents de la campagne, ils ne se retrouvent pas. Le fait que l'humour francophone manque au Niger euh, ne constitue pas un, handicap peut-être euh, pour la compétitivité Shoemaker. Les gens ne trouvent pas une espèce d'importance euh, vraiment par rapport à l'humour, comme vous dites, francophone que notre pays a un avantage. L'avantage, c'est quoi Peut-être quand tu parles à ça, tu parles allemand, etc. Quand tu es comédien, tu peux toucher toute la population. Mais les autres, nos voisins et consorts, dans leur pays, tu peux trouver un pays où il y a 200 langues, 200... Donc, ça veut dire que le français, ils sont obligés, ils étaient obligés de développer euh, leur, façon de, parler. Défaut, est-ce qu'aujourd'hui, la, façon dont les artistes, euh, euh, comédiens humoristes ivoiriens sont écoutés dans la sous-région, au Niger et dans le monde, aujourd'hui, nous avons peut-être Yajidogo, Ada, qui peut-être ne s'exprime pas en français. Est-ce que cela ne constitue pas un problème Oui, c'est c'est peut-être un problème pour les autres, mais pas un problème pour nous. Nous avons été toujours à l'avant-garde des art ici sur le continent africain. Même par rapport à l'humour francophone dont vous êtes en train de parler, Maman représente une référence en ce moment incontournable. Il est celui qui organise le festival francophone qui réunit les humoristes et les vrais humoristes africains. C'est vrai qu'ici, au Niger, le taux de scolarisation. Euh, les moyens de communication en termes de langue que nous utilisons n'est pas le français. Et c'est aussi une petite fierté pour nous d'être quand même localement bien installés pour se parler dans les vraies langues que nous connaissons. Donc c'est pour dire que, en fait, le problème n'est pas à ce niveau réellement. Le problème est au niveau de la formation et de la professionnalisation des acteurs. Nous avons eu un handicap dans ce pays depuis euh, euh, la colonisation, à l'arrivée donc aux indépendances, il n'y a jamais eu de formation professionnalisante des acteurs. Ce qui constitue un handicap donc qui empêcherait aux autres d'initier certaines choses qui peuvent leur permettre de se euh, professionnaliser. Maman a parlé de l'ouverture d'une école. Qu'est-ce que vous en pensez Nous tous ici, quand on dit comédien là, c'est naturel. Le Niger ne peut pas rester en marge du monde. Est-ce qu'il y a une école de comédie De comédien, quelle comédie Excusez-moi, Schumacher, je vais peut-être intervenir. Allez-y. Une année, nous avons été en Côte d'Ivoire. Euh, au... C'était le théâtre francophone de Faux. Tu étais avec nous à Boaki. Nous, nous avons présenté notre pièce en langue maternelle. Et c'est passé, les gens ont compris. Et c'est passé, je vais vous dire, euh, c'est passé comment Les gens ont suivi. Il y avait même un membre de jury. C'est un Camerounais, je me rappelle très bien. Dès qu'on a commencé, il avait son bic entre les dents. Il n'a rien écrit sur sa feuille. Il suivait seulement et il avait les oreilles tournées vers les, acteurs. Et quand on a fini, on dit la pièce est terminée. Maintenant, le membre du jury cameroun là, il se lève et dit c'est terminé. Voilà ce qu'on voulait du théâtre. C'est ça le théâtre. C'est ce qu'il a dit. C'est ça le théâtre. Défaut, vous en tant que jeune euh, euh, artiste, euh, comédien, est-ce que vous pensez que cette compétitivité peut être maintenue sur le plan mondial avec les langues maternelles Tant que nous n'avons pas un créneau de formation adapté qui peut aller dans la professionnalisation, on aura toujours du mal à comprendre et à être avec les autres. Et justement, quand vous prenez le cas de Alfadi, il a pris des années à vouloir mettre en place une école qui n'est pas encore née ça allait peut-être être un ouf pour beaucoup de jeunes stylistes nigériens pour être à l'international. Maintenant, Maman qui arrive avec la modernité, c'est l'aspect contemporain de la chose. Faut pas qu'on, on ne peut pas vivre isolé du monde. Ça, c'est une réalité. Donc, nous devons être en mesure d'être formés, de comprendre et de confronter ce marché-là. Quand vous prenez par exemple euh, ce qu'il fait à Abidjan, ça fait la deuxième ou la troisième édition, aucun Nigérien n'y était parce qu'en en fait, on n'a pas le même style de comique, le même style de rire. Donc peut-être avec ces formations-là, nous pouvons être dans la démarche des autres et l'adapter aussi à la réalité nigérienne. Parce que tout le souci parfois, c'est de dire que le français à part et notre culture à part. Non. C'est comme euh, un savant le dit, Tarek Ramadan, il dit, il n'y a pas une culture islamique, il y a des cultures islamiques. Donc il n'y a pas un Français, il y a des Français. La preuve, quand tu parles en Côte d'Ivoire, dès que tu dis Woro n'est pas du français, mais ça rentre dans le français. À travers vos différentes prestations, avez-vous eu l'impression d'avoir euh, eu un impact sur euh, donc euh, les mots qui minent cette société Yazidogo, mm. vous avez participé énormément, je parle de vous à travers cette taupe théâtrale, donc à changer les choses, à faire bouger les choses au Niger. Oui, à travers le théâtre, en fait, ce que nous avons fait, nous avons changé beaucoup la mentalité des Nigériens. Même ce matin, avant de venir ici, Quelqu'un me disait, mais on ne, vous voit, on ne vous voit plus à la télé. Nous, ça nous manque. Et vos pièces-là, il me dit, vous savez, vos pièces-là, nous les aimons parce que pas seulement pour rire, mais c'est des leçons que nous tirons à travers vos pièces. Chaque pièce finit toujours par soit une leçon de morale ou un conseil à donner des choses comme ça. Écoutons ce extrait qui soulève le manque d'organisation des humoristes nigériens. C'est que nous avons le talent, mais nous n'avons pas le professionnalisme. Il y en a beaucoup, en tout cas, qui peuvent faire des choses merveilleuses à l'international, mais qui ne sont pas encadrés. Bon, ils le font juste pour s'amuser, pour mesurer l'impact d'un art sur l'économie d'un pays. Il y a un certain nombre de conditions à, à remplir. Mais c'est qu'aujourd'hui, ces humoristes ne le remplissent pas. Il n'y a pas ce côté professionnel le plus grand problème, en tout cas, je ne parle même pas d'humour, de, de notre développement culturel, c'est le manque de professionnalisme. Maintenant, s'il arrive à avoir vraiment des bons professionnels, ils peuvent euh, le rendre accessible euh, partout dans le pays et au-delà, et l'inscrire dans des festivals, dans des grandes rencontres. Mais c'est que, que nous n'avons pas ici. Donc, ils sont là, c'est eux-mêmes qui démarchent leur propre passage dans tel ou tel festival euh, local. Ils s'accrochent toujours à des à des autres festivals. Et ce qui fait qu'il n'y a pas une entreprise culturelle au Niger qui fait la promotion de l'humour. Je pense pas. Je ne la connais pas. Dans d'autres pays, vous allez voir comment c'est bien structuré, bien professionnalisé. Dès qu'on dit que c'est cette maison qui tourne cet artiste, donc la maison déjà a un label et le label est connu très bien et on sait qu'ils vont faire du bon boulot, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Et c'est une des missions de la PEC, c'est euh, qu'on arrive à avoir ces entreprises professionnelles toutes ces entreprises donc, qui peuvent eh, vraiment être professionnelles et faire que eh, le secteur culturel nigérien puisse être dynamique, compétitif et puisse participer aux produits intérieurs du pays. Euh, Soumaïla Ibrahim, chargée de communication de l'APEC, l'Agence pour la promotion des entreprises et industries culturelles du Niger. Euh, je reste avec euh, le papa Yaji Dogo donc, pour parler de ce manque d'organisation. Mais est-ce que vous, vous avez l'impression que c'est ce manque d'organisation qui constitue des difficultés pour vous oui, c'est vrai, il manque vraiment l'organisation. Parce qu'au départ, qu'est-ce a fait On est parti de quoi On est parti de la semaine de la jeunesse avant, juste après l'indépendance. On, se préparait, juste on dit tiens, il y a le festival à Niamey, donc euh, chaque région doit préparer des éléments, c'est des chants, c'est des ballets, c'est du théâtre, c'est du sport, etc., etc. Nous, euh, quand on dit préparer quelque chose pour aller à cette semaine de la jeunesse, on se prépare. Souvent on se prépare, souvent on se prépare même pas. Il suffit que, le responsable de la culture de la région ait dit préparez-vous, on va à Niamey. Il y a la semaine de la jeunesse. souvent c'est arrivé à Niamey même qu'on bricole, qu'on prépare quelque chose. Mais c'est difficile, en ce temps c'était difficile de regrouper des gens pour dire venez, on va apprendre telle chose. On vous dit je vais perdre mon temps, qu'est-ce que je gagne Qu'est-ce que je gagne et quelles sont les difficultés que vous relevez euh, dans ce secteur Les responsabilités doivent être partagées parce que les artistes, d'une manière générale, par exemple moi, je ne le fais pas pour l'argent, je le fais parce que ça me plaît, c'est un plaisir pour moi. Mais tout de même, euh, je crois que la faute donc de nous artistes, c'est qu'on n'est pas aventuré, on n'est pas ambitieux. On le fait juste, c'est ça. Donc voilà, c'est un problème. Mais de l'autre côté aussi, l'État doit s'acquitter de sa logique culturelle. La logique culturelle que je veux dire, c'est que l'État doit encadrer franchement les artistes. Il ne s'agit pas de faire euh, un, petit coup, quoi, de venir donner un enveloppe de 500 000, 000 francs ou bien ou bien euh, c'est à la mort d'un artiste qu'on va lui dire. parce que l'État a toujours le respect des morts et des vivants. C'est toujours, tout de suite, au lieu de donner à Ajidogo 10 millions ou bien 20 millions, c'est tout ça à sa mort, on va dire non, agent concessionnaire, dévoué, quoi, quoi, quoi, là, on va te donner quelque chose. Donc les responsabilités sont partagées à mon avis. faut est-ce que le manque euh, d'entreprises culturelles serait aussi un frein au développement de ce secteur <laughs> Mais on entreprend quand on fait une étude de marché et que c'est rentable, donc il y a la possibilité d'avoir de lucratif. Au Niger, il n'y en a pas. Euh, les ressources humaines n'ont jamais été le noyau de l'art au Niger. Nous avons, et actuellement, je vous donne un exemple, on est en train de préparer peut-être Tawa, Tawa, Tawa Sokola, n'est-ce pas On va mettre un an en train de créer des infrastructures sur lesquelles les artistes doivent en principe s'exprimer, mais on attend un mois ou deux mois ou une semaine pour dire aux artistes, allez-y, vous préparez. Donc, en fait, c'est un problème qui existe depuis euh, les, premiers régimes. En fait, l'homme, on le prend dans le champ, il vient, il fait aïe-aïe et on le ramène dans le champ, et il n'y a aucune possibilité pour lui d'avoir une démarche professionnalisante. Voilà l'handicap. Tant que l'homme, c'est l'homme qui est la création, c'est lui qui a la créativité. Et donc si lui, il n'a pas un encadrement pour, c'est pas possible. Tout à l'heure, le responsable de la communication d'APEC parlait que euh, parlait des entreprises culturelles. Eux, ils ont ils ont sélectionné deux générations d'entrepreneurs. Dix, une première génération, dix encore une deuxième génération. Aucune entreprise, à ma connaissance, n'a eu le financement nécessaire pour démarrer depuis là. Ça fait une bonne dizaine d'années. Donc c'est pour vous dire que, en réalité, l'homme n'est pas mis au centre de l'art au Niger. Et tant que l'homme n'est pas au centre, tant qu'on n'a pas envie de payer un artiste à 500 000 alors qu'on paye un artiste qui vient d'ailleurs à 10 millions. Oui, mais est-ce que, est-ce que ça, c'est pas aussi la faute des artistes euh, défauts? Est-ce que ces artistes sont souvent eux-mêmes les, les, démarcheurs, ils sont eux-mêmes euh, ceux qui pensent à l'organisation, ils sont eux-mêmes à la fois euh, mais Marie, vous pensez que moi, je vais aller faire mes études de licence, de master ou de master ou de doctorat, je vais venir être l'entrepreneur ou euh, celui qui gère la carrière d'un artiste qui ne peut même pas nourrir sa famille Les encadrements là, ça se paye un administrateur ou un manager, on le paye. Ils n'ont pas les moyens de les entretenir. Oui, mais cela pourrait venir avec cette organisation, cette euh, structuration de, ce domaine. Mais la, structuration existe depuis longtemps. La troupe Yajidogo, depuis qu'ils sont dans les années 50, là, ils sont structurés, la preuve, ils sont là. Mais comme vous l'avez dit, le problème, c'est l'encadrement. En fait, non seulement l'encadrement physique, mais au niveau législatif, en termes de facilité des textes, au niveau d'appui, tout ça, il y a aussi des difficultés. Les artistes comédiens humoristes peuvent-ils jouer d'une liberté totale dans leur dénonciation Eh bien oui, la liberté devrait être sans limite tant que cette dénonciation est dans une satire de l'actualité, dans l'humour. C'est tout de même ce que nous a confié Dr Sani Kabirou, juriste et spécialiste en droit des médias on ne peut pas créer une œuvre de l'esprit si on n'est pas libre, ce qui a contraint beaucoup d'artistes, donc écrivains, chanteurs, cinéastes à l'exil. Si on part dans chaque pays, tirer la liberté d'expression, il y a toujours un artiste. Donc pour moi, la liberté euh, d'un artiste ne se négocie pas, elle doit être absolue. Maintenant, pour ceux qui est des artistes humoristes, les artistes humoristes, c'est des artistes qui sont là pour faire une parodie de la vie. Ils transforment des événements sociaux, des phénomènes ou des faits d'actualité en comédie, en humour. Évidemment, tout le monde n'a pas le sens de l'humour, ça aussi il faut le, souligner, et que tout le monde ne perçoit pas l'humoriste comme quelqu'un qui est là pour rire parce qu'on suppose qu'il prend parti, surtout quand il pique un homme public, parce que toute la question elle est là. Quand on s'amuse de la vie ordinaire, ça ne dérange personne, mais quand on touche le politique ou les politiques, alors là ça devient un problème. Est-ce qu'il n'est pas de tel bord, n'est pas de tel bord Donc ce qui amène toute la complexité de jusqu'où doit aller la liberté de l'artiste, notamment l'humoriste. Eh bien, tant qu'il est établi que l'humour est fait pour s'amuser, s'amuser de l'actualité politique, il n'y a plus d'atteinte à la dignité ou à l'honneur de nom. D'abord, il y avait eu les marionnettes du temps de Mitterrand qui le dérangeaient. Il avait porté plainte. Le Conseil d'État avait dit tant que c'était pour s'amuser de la vie publique et qu'un homme public ne doit pas être offusqué parce que d'autres couches sociales ou d'autres professions le récupèrent certains de ses propos pour faire rire les autres. Si vous prenez les guignols, il n'y a aucun homme politique qui les épargne. Donc, sur cette situation, c'est rare qu'ils perdent des procès. C'est comme ça que vous percevez cette liberté eh, d'expression, Shoemaker moi, je n'ai jamais eu un problème avec euh, un homme politique. Bon, je crois que euh, l'avantage, c'est que moi, j'imite tout le monde. Donc, je n'ai pas un parti. pas quelqu'un de l'opposition ou de, parti de la mouvance. Donc, c'est tout le monde. Je pense que c'est là peut-être qui m'a épargné pour le moment. Je ne sais pas. Il faut être très, très méfiant quand vous montez une pièce. Il faut tout peser on va parler peut-être d'un ministre ou, je ne sais pas, d'un directeur de cabinet ou un DG d'une société, mais il faut faire attention. Nous, nous avons nos tournures. Ça, c'est une spécialité de la troupe Yazidogo. Nous, nous avons des manières de contourner, par exemple, un problème. C'est après, peut-être un an, deux ans après que le monsieur se rend compte. Mais au fond, ces imbéciles-là, c'est deux moi qui le parlaient dans leur pièce. <laughs> D'accord. Donc, c'est trop tard. Alors, défaut, euh, cette liberté d'expression, euh, comment est-ce que toi, tu, tu, la vois La liberté d'expression, elle est totale au Niger. Sur le plan artistique, on peut dire, euh, même si peut-être on peut avoir des exemples qui peuvent dire le contraire, mais il faut prendre par exemple le cas de, de mon grand frère Nourou qui... Euh, depuis les années 90-11 avec la conférence nationale, où on a commencé réellement à faire l'imitation de l'homme politique pratiquement en direct à travers la place Amadou Boubacar, ensuite euh, au niveau de la télévision, sur les fêtes nationales. en ce moment, euh, Mourna est né pratiquement dans, dans cette situation-là. Et vous regardez que on a tout fait pour casser la démarche publicitaire de nous à travers, euh, parce que c'est long, parce... mais nous, on se retrouve dedans, effectivement. C'est parce qu'on se retrouve qu'on n'arrive pas à détrôner Mourou pour dire que sa publicité est trop longue. Parce que, en fait, à travers sa publicité, il retrace sa société. Et il fait la satire sociale aussi dans cette publicité. Par exemple, il peut facilement parler de, de celui qui a le grand boubou, de du général, de, c'est de la politique, mais dans la publicité. Imaginez la force quand même que l'artiste nigérien a pour être euh, avec sa communauté, dans sa communauté. Et ça, c'est très, très important. Et cette parenté à plaisanterie a bloqué tout aussi. Quel qu'en soit ton rang social, si un artiste t'égratigne sur la scène, tu ne peux pas réagir. Je vous donne peut-être un exemple si aussi on a un peu le temps. Il y a eu des gourmandiers qui, à un moment, ont été offusqués par... Euh, par un député. Ils ont fait toute une délégation pour arriver à l'Assemblée nationale, pour dénoncer, pour crier, pour que... En fait, c'était très sérieux. Il a fallu juste retirer. On a tiré de côté un Touareg, un député Touareg, donc un Targui. Il était arrivé, il a trouvé ma grande sœur Fatih Lankonde, Il a dit oui, oui, il a crié sur elle en tant que Targui et la tension carrément a baissé. Et donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, quelle qu'en soit la tension qu'il y a, la parenté à plaisanterie, la comédie, comme vous l'avez dit, ou l'humour que vous avez dit tout à l'heure, a été de à tous les niveaux et à tous les instants au Niger. Est-ce que euh, cette liberté d'expression n'est pas souvent euh, mise à mal euh, Nous allons écouter une fois de plus docteur Sani Kabirou Ada n'a pas été interpellé par rapport au sketch en tant que tel, mais par rapport au montage. Excusez-moi, c'était donc sur le thème Taïtaori. C'est tout est compliqué, tout est dur. tout le monde rit de cela. même les gens du régime entre guillemets disent Taïtaori entre eux. Ce n'est pas ça qui causait problème en réalité. Mais c'est que on a pris son sketch, le sketch Taïtaori audio, et on a fait un montage vidéo qui a circulé sur, sur les réseaux sociaux. vous savez maintenant le problème des autorités publiques des États vulnérables comme les États africains, par exemple au Niger à fait qu'on n'a aucune maîtrise des réseaux sociaux. Donc sur les réseaux sociaux, quelqu'un a pris la voix de Ada dans Taïtori, a fait un montage sur lequel effectivement il y avait des insinuations, des atteintes directes à des personnalités. C'était plus le problème de Ada. Il semblerait qu'on l'a interrogé pour savoir si c'était lui qui a, fait la, qui a fait le montage ou il sait qui et qui a fait le montage. On n'a pas besoin de Ada. Nous avons une expertise scientifique qui peut déterminer d'où est parti le montage. cœur que vous inspire le cas de Ada Oui, Ada, mais il a repris tout dernièrement aussi, j'ai compris, c'est pas, c'est même pas une vidéo, il a repris exactement ce qu'elle a dit la dernière fois, mais sur une autre vidéo qu'elle a tournée lui-même. Bon, je crois que jusque-là, il n'est pas soupçonné de n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'on ne vous voit plus sur scène Ça fait un bout de temps, je suis parti en étude, quoi. Et ça a duré au moins cinq ans. Donc c'est le, temps-là que je ne suis pas au Niger ou bien quand je viens, ce n'est pas un moment favorable pour euh, faire euh, pour monter sur scène. Et en réalité aussi, moi en tant que chômeur, que je n'organise pas un spectacle. On m'appelle pour jouer, mais je ne joue pas aussi sur n'importe quel, euh, quel n'importe quel tapis. Moi, je suis quelqu'un vraiment quand tu m'appelles pour un truc social, on veut organiser une soirée pour la lutte contre la tuberculose, etc., etc. Comme ça, je peux aller. Vous disiez que l'argent ne vous intéresse pas. C'est pas que oh, qui peut pas être euh, intéressé par l'argent. Vous m'avez compris qu'on que on ne peut pas vous payer. Oui, j'ai dit moi je, on peut pas me payer. Moi, je pense qu'il n'y a aucun artiste ici, nous trois la qu'on peut payer. C'est pas possible. Tu me donnes 10 millions pour mon dessin, tu me payes pas. Parce que l'art, l'art, là, c'est autre chose. Tu peux pas faire ce que je fais. mais tu peux me donner 1000 francs, tu peux me donner n'importe quoi. Mais moi, je me dis, franchement, tu peux pas me payer. Donc, mais on peut négocier un contrat ou bien un petit truc pour, pour jouer. Des fautes en fait, la création n'a jamais été dérangée en termes de liberté au Niger. Même au régime d'exception, quand on prend le régime de Kounté, mon tonton est là pour témoigner, ils sont beaucoup plus euh, en termes de censure, de l'autocensure, parce qu'il y a la religion, il y a certains faits sociaux, l'artiste s'autocensure lui-même, et ensuite, eux, euh, il y a des censures comme on ne doit pas parler, par exemple, du président directement, il refuse ça. Ça, ce n'est que ça comme contrainte. Mais le Nigérien a un sens démocratique depuis la nuit d'antan que ce soit nos chefs, nos, nos politiques, ils ont toujours accepté nos critiques, mais vraiment de façon euh, très comprise, en petit. Yajidogo, vous, vous avez dit que vous avez des tournures que vous utilisez. C'est ça qui vous a épargné de toutes ces intimidations tout, à fait, tout à fait. Je vous raconte une petite histoire, mais ce n'est pas une histoire. Un jour, le président Kunti a invité Yakubu Gowon du Nigeria. Donc, on nous a programmé, on est venu des Anders, nous a programmé pour une soirée de gala. Et on devrait présenter une pièce que lui, Kunti, a déjà vue. C'est Gado Garfin Allah. C'est le titre de la pièce comme ça. Mais dans cette pièce, il y avait un passage où il fallait juste faire un peu de politique, c'est-à-dire c'était le temps du RDA. Donc il y avait un député qui devrait venir à, à d'un chef. Quand nous sommes arrivés ici à Niamey, on nous a dit c'est la même pièce que vous allez présenter. Tout de suite, ce sont les griots qui ont réagi et dit Ah, ah Mouché, il faut faire attention. Dans la pièce là, nous, nous avons préparé un morceau où on joue Giwa Giwa RDA. Est-ce qu'on va l'interpréter Or, c'est Kunti qui est au pouvoir. Ah, les griots ont dit Si c'est ça, nous, on ne joue pas. On préfère ranger nos instruments. Et après, moi, je suis parti voir Kunti. Il dit me dit Mais pourquoi vous allez changer Moi, je veux voir la pièce telle qu'elle est. Aujourd'hui, si je suis là, demain, ce n'est pas moi. Il faut que, ceux qui viendront après que, que, posent la question, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire cette musique Giwa Giwa Erda il faut conserver ça. Les artistes, comédiens, humoristes, de façon générale, ont-ils ou non les moyens de se protéger La réponse avec euh, Dr Sani Kabiru, juriste et spécialiste en droit des médias que nos artistes sont dans une méconnaissance absolue de leurs droits. Ça, je vous le dis. Je discute régulièrement avec certains d'entre eux, je ne vous citerai pas de nom. Ils sont dans une méconnaissance absolue de leurs droits. Ce qui les motive souvent, c'est la passion de l'art. Mais il faut qu'ils soient protégés, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils sachent c'est quoi le professionnalisme d'un humoriste voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, tous les humoristes ivoiriens, européens, ils sont des vrais professionnels parce qu'ils sont d'abord autonomes, ils sont apolitiques et ils sont, tout le monde est d'accord qu'ils sont neutres. C'est le professionnalisme qui peut les protéger. Quand on dit professionnel, c'est d'abord l'impartialité. Comme vous, les journalistes, aujourd'hui, nous fait l'unanimité. Pourquoi Il tape tout le monde et il l'a fait depuis 20 ans, comme Schumacher à l'époque. Mais donc, c'est ça qu'il faut consolider. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Je suis désolé. Ada, c'est le seul euh, dinosaure, je peux dire. Nous est plus maintenant dans la publicité, dans la communication que dans l'humour en tant que tel. Mais on l'a connu là-dedans qu'elle était étudiante. La Topo Morna a fait la fierté de l'université. Vous vous souvenez pas de Yazidogo aussi Je l'ai toujours gardé en mémoire et je pense que lui, c'est le vrai monument. Et je pense que c'est l'occasion, à travers votre studio, de lui rendre un hommage. Moi, j'ai discuté avec lui une fois dans les coulisses de l'IFT que j'ai eu les larmes aux yeux. Et ça, je vous le dis avec le cœur. Je l'ai vu, je l'ai embrassé, dit papa, tu fais honneur au Niger. Mais ça me fait mal. Et pourquoi Pourquoi vous l'avez dit Parce que c'est le... j'avais la chair de poule quand je l'ai vu à l'IFT. Parce que, parce que que vous aimiez ce qu'il fait ce qu'il fait parce que moi, il m'a, il a nourri mon enfance, il a nourri mon adolescence. Encore aujourd'hui, l'adulte, le responsable que je suis, il continue. Il m'a parlé de, sa troupe qu'il gère avec passion. Monsieur, monsieur, on peut même pas l'aider à l'ère de la Renaissance. C'est l'occasion où moi j'appelle le ministre de la Renaissance. Faut pas attendre la fin. Excusez-moi du terme. Je souhaite que le papa vive longtemps. Il l'a fait avec professionnalisme. Il l'a toujours fait avec professionnalisme. On va attendre leur mort pour les décorer à titre possible J'attends que le ministre de la Renaissance les invite à son plateau, bon Dieu. Yajidogo, vous roulez sur un fond propre. Je crois qu'il a bien mesuré les choses, c'est exactement ça. On est presque au bout du tunnel, hein, c'est vrai. Mais ce qu'on veut. Je crois que c'est défaut, Schumacher, ils l'ont dit, le gouvernement ne pense pas aux artistes. On a besoin d'eux. Quand il y a seulement un accueil, il y a un président qui arrive, il faut, il faut les voir rapidement, qu'ils préparent une soirée de gala ou bien préparer l'accueil là-bas au niveau de l'aéroport. C'est tout. Tous ces gens, tous ces acteurs-là, si je vous raconte leur vie, vous allez pleurer. Vous voyez, chaque samedi, euh, chaque mercredi et dimanche, nous sommes au CCOG. Qu'il y ait une pièce à préparer ou qu'il n'y ait pas de truc à préparer, ils sont là présents et c'est eux qui déboursent pour payer les frais de taxi à leur retour les autorités, quand vous les rencontrez, ça dit, oh, mais, tu es là, tu vis. Voyez ça. Tu es là, tu vis. On ne vous voit plus. Alors, il faudrait les soutenir financièrement. Il faut les. Ah, oui. Ça, c'est comme ça. Il ne faut pas attendre que le gars soit euh, enseveli dans la terre pour dire il a été ceci. Moi, je même, c'est pas faire de l'humour, mais j'ai envie de dire ne prononcez pas ça quand je serai mort. Ne dites pas que j'ai été consciencieux. <laughs> Euh, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment faire pour booster euh, ce secteur ce secteur peut être boosté facilement avec euh, l'appui de chaque partenaire. Par exemple, le Niger est l'un des pays ou l'un des rares pays riches en infrastructures il n'y a pas un département, voire une commune ou une région qui n'a pas de maison de la culture. Donc si on est en mesure d'assurer une tournée nationale, j'ai pas dit de prendre gratuitement des moyens pour donner aux artistes, si on est en mesure d'assurer une tournée nationale à chaque artiste, chaque année avec ses créations, non seulement il aura le courage de créer, parce qu'il sait qu'il y a un public qui l'attend, mais aussi donc, euh, au niveau du public, euh, il, y a, il y aura de la diversité. Donc, toutes les difficultés, c'est en réalité, on n'arrive pas à prendre les décisions qu'il faut pour être dans la professionnalisation véritable de ces acteurs culturels. la formation ou le financement, je veux dire le soutien financier, euh, peuvent-ils être des, moyens pour... Euh, englober ça il faut dès que, comme j'ai tout à l'heure dit, que l'État s'acquitte de sa logique culturelle. Franchement, d'une manière générale. Il ne faut pas toujours nous attendre la mort pour venir nous féliciter. Parce que ce qu'on a tendance à dire, c'est qu'on a toujours le respect des morts que des vivants. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas souhaiter. Mais je vais, permettez-moi juste de rendre hommage à Yaj Dougou. C'est lui qui m'a formé. C'est lui, mon premier prix que j'ai eu quand j'étais, quand j'avais l'âge tendre à CM2, c'est Dogo qui m'a fabriqué. Alors. Ça, c'est un petit. Merci au papa Yajidogo. L'humour ou la comédie au Niger connaît depuis quelques années une régression. Pourtant, le Niger a encore des comédiens humoristes talentueux. Ce secteur pourrait être d'un grand apport dans l'économie de notre pays. Le manque d'organisation ou de structuration des entreprises culturelles sont de véritables problèmes pour la rentabilité de ce secteur. Fidèles auditeurs, j'étais en compagnie de Yaji de Défaut et de Schumacher. Merci.